Lundi 15 avril 2024, chers auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bon début de semaine à tous. Il vient d'être 11h, c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et à mes côtés Rukayatou Abdraman. L'édition est assurée par Adam Dawaki et à la technique, ce matin, nous avons euh, Abdulkader Chambiano. Bonjour Rukayatou. Bonjour, c'est nous. Alors, comment allons-nous accompagner les auditeurs aujourd'hui Comme d'habitude, Rukaya, nous débutons avec le flash d'information. Dans la partie invité du jour, nous recevons ce matin M. Abdurazak Karimou. Il est le directeur du cabinet d'études de formation et réalisation en développement et communication. Toujours dans notre programme, c'est nous interviendront nos quatre rubriques quotidiennes, notamment l'écho des régions, la rubrique hebdomadaire qui parlera de justice, le loti et le portrait. Et oui, la page sport sera également servie sans oublier la culture linguistique. Nous allons boucler cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs prêts pour le décollage. C'est parti. Fidèles auditeurs, nous débutons cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rokayatou, bonjour euh, Seno. Le flash d'information à présent. Le Premier ministre de Transition Ali Mahamana Zen et le PDG de la société chinoise CNPC Zhu ont procédé vendredi 12 avril à la formalisation de trois accords pour la vente du brut qui revient au Niger avec une avance de 400 millions de dollars que le Niger a sollicité. Le remboursement de ce montant de 400 millions de dollars que va recevoir le Niger se fera sur la base des premières exportations et cela en 12 mois avec un taux d'intérêt de 7%. La signature de l'accord s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de Chine au Niger, de la délégation du CNPC ainsi que des experts chargés de travailler sur la question à l'appel d'une coalition d'associations de la société civile, des milliers de manifestants ont battu le pavé samedi 13 avril à Niamey pour faire pression sur les États-Unis d'Amérique à rapatrier leurs soldats stationnés sur le sol nigérien suite à la dénonciation mi-mars par les autorités militaires de transition des accords de défense avec les États-Unis d'Amérique alors que Washington semble temporiser sur la situation en attendant d'évaluer les différentes options avec Niamey. D'autres manifestations sont prévues les prochains jours pour obliger les soldats américains à quitter le pays comme c'était le cas avec les militaires français. Une conférence internationale s'ouvre euh, ce lundi 15 avril, à Paris sur le Soudan, un an après le début de la guerre, avec l'espoir de réveiller la mobilisation sur une crise oubliée aux conséquences humanitaires catastrophiques et aux risques géopolitiques majeurs. La réunion co-présidée notamment par l'Allemagne associera un volet politique le matin au niveau ministériel pour essayer de trouver des portes de sortie au conflit, un volet humanitaire pour mobiliser des dons et faire entrer massivement de l'aide dans ce pays Dévasté par la corne, euh, dans, la corne de l'Afrique, ainsi qu'une réunion d'une quarantaine de membres de la société civile soudanaise. La guerre a fait des milliers de morts et a provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes selon l'ONU. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 15 avril 2024. Merci Mokhtar euh, pour euh, ce flash d'information. À la prochaine. Comme annoncé en début mission, nous recevons euh, comme invité du jour M. Abdourazak Karimou. Je rappelle qu'il est euh, le directeur général du Bureau de formation et réalisation en développement et communication. Euh, bonjour Abdourazak. Bonjour c'est nous. Merci euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons bien évidemment de votre structure et ses services. Mais avant, avant d'attaquer nos échanges, nous allons savourer d'abord la première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Voici pour vous à Tibli avec le titre Aïcha. Oui, cher auditeur, Aïcha est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter. De son vrai nom, Ali euh, Atibli se nomme Ali Oumarou, connu sous le nom d'artiste Ali Atibli. Et dans cette chanson, l'artiste déclare son amour pour sa bien-aimée Aïcha. c'était là le titre Aïcha de l'artiste Ali Achibili. À présent, place aux échanges avec notre invité, M. Abdurazak Karimou. Rebonjour. Bonjour, Rukaya. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire euh, ou nous présenter plutôt brièvement votre cabinet <coughs> euh, DISO, Development and Communication Studio Office, un cabinet d'études de formation, de réalisation en développement et communication. Nous sommes basés à Niamey. Nous sommes basés à Niamey et c'est une entreprise pluridisciplinaire avec une équipe entièrement jeune. Ok. Entièrement jeune. Hein? Oui, oui. Ok. <laughs> le, plus vieux à combien d'âge euh, Je dirais 35 ans. 35 ans. <laughs> D'accord. Alors, euh, ce qui, nous amène à la prochaine question. Et quels sont les domaines d'intervention de votre bureau oui, Notre euh, bureau est spécialisé dans le domaine de l'ingénierie du développement, de la formation et des renforcements des capacités. Mm. Du saut, assiste et accompagne les collectivités locales, les mm. ONG, les OSC, les sociétés privées dans la conception et l'exécution des projets et programmes de développement. Hmm. Et Abdurazak, quel type de service offrez-vous dans le domaine du développement et de la communication Notre cabinet est structuré en trois services, hmm. à savoir le service études techniques et travaux. Hmm. Ce service est chargé des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien sur les missions des services publics et privés. Hmm. Il intervient sur les ouvrages hydrauliques, les aménagements hydro-agricoles, la conduite hmm. des chantiers, génie civil et construction, hmm. bâtiments et travaux publics, travaux d'assainissement, études environnementales. Le service de développement, il assure les missions de conseil et d'études pour les projets de développement ce service est spécialisé dans les études de projets et de conseils en organisation, effectue des activités axées autour de la conception de plans et projets, du diagnostic institutionnel et organisationnel, hmm. l'élaboration des plans d'action de réinstallation par une nouvelle formule, et des mécanismes de gestion des plaintes, la création des bases de données, la cartographie, l'analyse socio-économique des territoires, la réalisation des enquêtes. Et pour les services de communication et multimédia, eh, nous avons la conduite des campagnes euh, de communication sociale, l'élaboration de business plans pour les jeunes porteurs d'initiatives, jeunes artisans et groupements de femmes, etc l'élaboration des brochures pour le marketing territorial des communes et des PME, euh, des stratégies de communication, le graphisme et l'impression de tout genre. Ok, et, ça, fait combien d'années que euh, votre cabinet existe Bon, c'est un cabinet très jeune. On, exerçait euh, dans diverses structures maintenant, on sait vu que, bon, vu l'expérience en fait dans les divers domaines, hmm. on s'est concerté d'ouvrir notre propre cabinet. C'est récent, et quand même les gens sont y à intervenir dans plusieurs, euh, comment on appelle ça, structures du genre. Et vous, vous avez étudié dans quelle filière Je suis juriste publiciste de formation et communicateur aussi des projets. Ok, plusieurs casquettes à la fois. <laughs> Alors, euh, D'accord. Euh, tout à l'heure, vous disiez que euh, ça ne fait pas longtemps que vous avez mis en place mm-hmm. votre structure. Mm-hmm. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu à réaliser quelques activités Oui, quelques activités. Mm. Parlez-nous un peu de ces activités. On a eu à réaliser euh, quelques prestations en développement et communication, parmi lesquelles nous avons bon, l'appui à la mise en œuvre des parts dans le cadre de la réhabilitation des routes RN35, RN7 RS de Dosso, le projet du MCL. Ok, de Dosso jusqu'à Gaïa. <coughs> oui, oui, <coughs> effectivement. du concert avec un cabinet international, hmm. Bird. Euh, aussi, bon, le mécanisme de gestion des plaintes Ampère. Mm. On était aussi euh, assistant dans l'élaboration du mécanisme. Mm-hmm. Euh, aussi, une ONG locale à Dosso, à laquelle nous avons élaboré <coughs> une stratégie de communication dans le cadre de leur partenariat avec la Fondation Nour. D'accord. Mm. Voilà, je pense que c'est un peu cela. C'est un peu cela. <laughs> D'accord. qu'on peut énumérer. Abdelrazak, j'aimerais savoir euh, mm. quels sont les critères euh, utilisés pour évaluer l'efficacité des programmes et formations que vous proposez. Voilà. Donc, euh, à l'interne, nous avons un système de suivi et de contrôle de nos agents qui nous permet de visualiser les activités ou interventions et de les noter, mm. les corriger Ceci rend notre prestation continuellement excellente. À l'externe, nous nous contentons de la satisfaction de nos collaborateurs, nos clients. D'accord, euh, merci. Euh, dans cette première partie, on a retenu quand même que euh, votre cabinet a été mis en place, il, ça ne fait pas très longtemps de cela, mais néanmoins, vous avez déjà eu à réaliser pas mal, quelques activités, et voilà. Nous allons continuer, mais avant euh, de poursuivre nos échanges, marquons une pause musicale avec ce titre Sabou de l'artiste Fiaxi. Ah, yeah, haikul kirkwai tino bori Bada konse gama afuyon dori Irkwai, nir no bani da haikan bani ga mwa ga tumi Ga tumi You go feel well, sawo baba go

Et eh oui, Sabou, euh, cher auditeur, euh, c'est composé tout simplement par l'artiste Fiaxi à l'état civil. Il se nomme Sena Fiacre. Son nom de scène donne une idée du caractère électrique hein, de l'artiste. Fiaxi est, le diminutif de Fiacre et Si. Euh, un nom emprunté au Jarman Songhai. Il est comédien, musicien, maniant divers instruments, slammer, formateur en création artistique. Fiaxi touche presque à tout. Voilà, à l'instant, c'était bien euh, Sabou de l'artiste Fiaxi, tout en espérant que vous avez kiffé. Retour au studio avec notre invité, Monsieur Abdourazak Karimou. Alors, M. Euh, Monsieur euh, comment votre bureau collabore-t-il avec des entreprises ou des organisations externes pour concevoir des programmes de formation sur mesure Bon, s'agissant des organismes internationaux, les barres de fonds précisément. Mm. Et ils viennent avec leur politique qui est mondiale. Donc ils viennent vers nous pour les aider, pour les aider à contextualiser leur programme avec nos réalités nationales. Quant aux entreprises locales, elles c'est surtout dans l'aspect technique, c'est-à-dire les activités sur le terrain. Sur le terrain, elles sont uniformes, mais la particularité de notre bureau, ce sont les innovations dans l'exécution des travaux. Mmh. pouvez-vous nous partager euh, quelques exemples de réussite dans vos activités Oui, j'ai eu à souligner ça tout à l'heure. Exactement. Euh, Exactement. Parler parlé de la réhabilitation de la route de Doussou dans laquelle nous avons appuyé dans la mise en œuvre mm. du PAR, le mm-hmm. plan d'action de réinstallation j'ai mm. aussi parlé de l'élaboration du mécanisme de gestion de plans de projet d'Ampère mm. et aussi eh, l'élaboration d'une stratégie de communication pour l'ONG. C'est une ONG locale à Dosso, au NAZEG. Mm. Ok. Alors, euh, comment votre bureau euh, intègre-t-il hein, les nouvelles tendances et les meilleures pratiques en matière de développement et de communication dans ses programmes de formation comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous intégrons ces pratiques par excellence à travers l'usage de nos outils et techniques modernes et à jour en rapport avec les exigences du partenaire avec pour objectif l'atteinte des ODD, qui est le noyau de tout. Hmm. Alors, euh, quels sont, les principaux défis auxquels votre bureau est confronté Les défis sont multiples mais les plus sensibles sont la concurrence et la concurrence avec les cabinets internationaux qui sont priorisés dans l'attribution des contrats et qui reviennent nous sous-traiter. <laughs> Je profite pour attirer l'attention de nos dirigeants de faire confiance à ces entreprises locales car elles excellent au-dessus de leur compréhension. Et selon vous, pourquoi ces, ces, ces, entreprises euh, sont euh, priorisées contrairement euh, euh, à ce que les jeunes ont mis en place, comme, euh, comme le vôtre c'est le manque de confiance et la crainte euh, de bâcler le travail. <laughs> Comme ils n'ont pas la confiance à leurs entreprises locales, ils ont ce doute, cette crainte que leur travail soit bâclé et les partenaires vont à l'avenir se retrancher, retirer, comme on appelle ça. Mm. Eh, une dernière question, Abdrazak. Peut-être ça va permettre euh, que les autorités s'intéressent à vous. Et comment votre bureau assure-t-il la qualité et la pertinence continue de ces programmes et formations au fil du temps Parce que les choses évoluent. tout le temps parler du modernisme, les innovations et la mise à jour de nos outils mhm. et de notre personnel il y a quelques de nos collaborateurs, mhm. notre personnel qui sont en formation dans des domaines spécialisés aussi. cela nous permet de maintenir l'équilibre de façon continuelle et par excellence. Merci. Voilà, merci M. Euh, monsieur Abdourazak Karimou d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée tout en espérant qu'on se reprendra un jour pour parler euh, d'autres activités. Merci. Rukaya, on fait une petite pause et on revient juste après. Mhm. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Nous sommes lundi et nous allons parler justice. Et oui, dans la rubrique justice de cette semaine, nous allons parler de la justice traditionnelle ou justice de transition. Oui, c'est nous. par définition, la justice transitionnelle désigne l'ensemble de mesures judiciaires ou non judiciaires permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui sortent d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire. Oui, le modèle de cette justice a été utilisé au Rwanda dans le cadre de jugement du génocide qui a secoué ces pays en 1994. Aujourd'hui, les pays du Sahel euh, tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso connaissent un conflit interminable, et bien évidemment dans lequel plusieurs personnes civiles et militaires ont été tuées. Partant de cette justice, peut-on évoquer la problématique d'une justice traditionnelle au Sahel En tout cas, au Burkina Faso, la justice transitionnelle a été évoquée plusieurs fois. Pour en savoir plus, notre reporter Tanan Foudé Ahmed s'est entretenu avec Thierry hier, rédacteur en chef de Justice Info, un média de la Fondation Hirondelle. On l'écoute. La justice transitionnelle dépend radicalement de l'issue de la paix. Est-ce que c'est une paix négociée ou non cet aspect est fondamental. Le Rwanda a fait des choix qui sont possibles dans une situation de victoire militaire claire et univoque. Et dans un état fort, au Rwanda, le FPR avait gagné la guerre complètement et a ensuite installé un État qui euh, fonctionne maintenant euh, de manière euh, ferme. et donc ça lui a permis, le Rwanda du coup a pu rejeter toute justice sur les crimes commis contre les Hutus par exemple, aussi refusé le modèle sud-africain d'une commission vérité et réconciliation, c'était son choix, mais son choix dans une situation de victoire. Si vous prenez la Colombie où la paix a été négociée entre les parties qui étaient en conflit, elle a eu un choix très différent. Et aujourd'hui, en Colombie, on poursuit chacune des parties avec des peines euh, conditionnelles qui sont très allégées, et un énorme travail de recherche de la vérité. Au Burkina Faso, la justice transitionnelle est évoquée pour appuyer les passifs de crise qu'a connu le pays. En quoi les modèles rwandais peut être un exemple Il n'y a pas de modèle qui soit exportable à mes yeux en matière de justice sur les violences de masse. Hein. Chaque pays est contraint par son histoire et ses circonstances politiques. Il y a un chercheur canadien, Mark Freeman, qui a, à mon avis, apporté un aspect essentiel pour analyser ces situations. pour revenir au Burkina, le Burkina aujourd'hui n'est pas en paix, il est en plein conflit. Et c'est donc difficile, si on retient cette idée que la justice dépend de la manière dont le conflit se termine, il est, difficile de deviner ce qui sera possible ou désirable de faire au Burkina. Euh, maintenant, il y a aussi euh, d'autres crimes qui n'ont rien à voir avec les génocides. Euh, c'est des crimes, en tout cas crimes de masse, des massacres de populations par des centaines. C'est des choses qui se sont déroulées et qui sont en train de se dérouler au Sahel. Est-ce qu'un jour on peut espérer un tribunal pénal international pour juger ces crimes c'est difficile aujourd'hui de créer un nouveau tribunal international sur le modèle du, du TPI. Euh, C'est des tribunaux comme celui pour la Yougoslavie qui ont été créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc non, euh, je pense que ce modèle actuellement est pas est pas envisageable. Ce qui existe, comme vous savez, c'est la Cour pénale internationale, mais elle ne, elle ne s'occupe que de quelques cas et uniquement dans les pays où elle a compétence, ce qui a été le cas du Mali, mais enfin ça fait pas beaucoup de, c'est pas du tout l'équivalent. Ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est un modèle comme euh, le tribunal, la Cour spéciale euh, euh, en Centrafrique, donc un modèle hybride avec participation des internationaux et des nationaux. Ça, c'est éventuellement envisageable, mais c'est de plus en plus difficile de créer des tribunaux internationaux à cause du désaccord entre les grandes puissances aujourd'hui. Donc, ce qui est plus vraisemblable dans actuellement en tout cas dans ces pays-là, c'est des solutions nationales. C'est-à-dire euh, euh, finalement assez proche du Rwanda, parce que le Rwanda a eu un tribunal international, mais l'essentiel de l'effort de justice a été, a été fourni au Rwanda par la justice nationale. Vous venez de suivre la rubrique hebdomadaire qui a parlé de justice, un autre tour en musique, chers auditeurs, avec le titre Namba Namba de Idi Sarki. iso ku zo wasa na isum kuzumi zo mi ko wani zamani mun san da na shi juyi da na shi salo da na shi salo kowai lokacin zamani an makosa wani zamani an takarawa rege raga wani zamani an takarawa kwasa Ademou, alias Idi est un artiste nigérien né le 14 septembre 1979 à Difa. Il est chanteur et joue également de la guitare. Et eh oui, Idi s'est véritablement lancé dans la musique en 1996 avec le groupe de rap Revenant Pussy qui deviendra Joroji avec l'arrivée de l'artiste Kamikaze. Et en 2004, il se lance en solo et sort son premier album Manigo en 2006. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Namba Namba de l'artiste Idi Serki, l'un des meilleurs artistes hein, au Niger. Si vous venez juste de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté car vous avez la possibilité de réécouter L'intégralité de cette émission sur notre site web le www.studiocalangou.org. À présent, place à l'écho des régions, n'est-ce pas, Rukaya Oui, c'est non. Notre page écho des régions nous amène de la région de Tawa, précisément à Koni, pour parler de la vente des stupéfiants à l'air libre. Oui, le département de Koni, région de Tawa, fait face à un phénomène, celui de la vente des stupéfiants à l'air libre et le port d'armes blanches par les jeunes. Oui, suite à cet état de fait, le chef de canton de la localité a lancé un appel aux habitants à l'occasion de la fête de Ramadan, suivant ce reportage de Assouman Moussarzika. sai da miyagun kwayoyi da yawo da makamai kamar yukake da addaye ya zama wata tabi'a da matasa a gundumar birnin kwanni suka ɗauka domin kai ƙarshen wannan bakon lamari a cikin sakonsa na ƙarshen watan azumin ramadana mai martaba sarkin kwani ya nemi matasa da su bar wannan mummunar tabi'a mai martaba sarkin kwani mamman salihu sardauna ya yi bayani kamar haka cikin garin kwani musamman dan kowa da yuka dan kowa da adda kuma uwaye sun gani sannan babu wata magana da uba ka iya ma maɗanai. wace irin duniya ce za mu fuskanta sannan in hukuma ta zo kuma ta ɗau mataki mu jama'a a hito ai zanga-zanga an to an kama ɗan wani wannan rayuwa ba ta yi haka nan da babu hukuma da dumu duka nan gaba mu taruwa mu sallah da babu hukuma da ba a biɗa da babu hukuma da ba a karatu mutum bai zama iko da kanshi saboda haka ya kamata a gyara uwaye iyaye ku ma magana in kun iya in ba ku iya ba waɗanda Allah ya dora ma nauyin su gyara lalurar nan a kai magana gare su su gyara mu gari bai yiwa da an ce an yi hudan samari sai an ce an soke wani ko an sa wani kuna gani kuma ga hilan Allah a kawo kwaya a aza bisa tabul ana sai shi ta kama ana sai da cakwala muna kira gare ku hukumomi na bariki ya kamata a ɗau matakai ka ƙaura saboda mu samu kwanciyar hankali domin in dukan mutane sun zama mashaya babu mai kwana gidan shi lahiya. Tune wasu uwayen ɗiya sun ce a shirye suke domin ba da haɗin kai don kai ƙarshen wannan tabi'a. Duk wanda ya san ɗanshi na wannan sana'a don Allah ya gaugawa ya raba shi da ita. Ka duku ga roƙon Allah. Allah yana amsa addu'a ma'aihi kowane iri in ka raina abu in kana kai kukan ka ga Allah Allah na amsa. To ga magana da magabata sun kai mun ji daɗin ta Allah shi musu albarka maganar sarki da firfe da mayar sonka da kwamsar ta yi daidai mu uwaye yara muke kenan na wanga abu da ya samu bisa ganin kwanne sai mu ce mu bakin ciki bisa wanga lamari yau a ce ɗanka ya lalace ya ɗauki makami ya sara ma ɗan shi kaga bai da da duk yan uwa muke uwa da uba da muke duka zan kala guda eh mu mu wata ubangi Allah shi ne kowa Allah shirya shi ku eh duk abin da ka samu ubangi kai ma yaro addu'a ka uba ka ce Allah ya shirye sa dan kuma ka tsawata shi domin jarabaci Allah kawo kuma Allah zai kawo mun sauki kuma ka samu ta Allah zo da ta la garin mu na kwallon Allah tsare mu da shi Allah shirye san mu da ƴaƴan mu Mamman Sani Adamu wani matashi ya yaba da wannan mataki da mai martaba sarkin kwanni ya dauka to a matsayin mu na matasa eh gaskiya wannan mataki wanda magabatan mu na wannan gari suka dauka eh wani abu ne wanda gaskiya na alfahari da jin daɗi da kuma shinshinawa saboda gaskiya shaye-shaye ba abu ne ba mai kyau eh shawar da nake badawa a matsayina na matashi ga iyayenmu shi shine eh, duk yaron da aka ga alamu ya fara irin wannan to yana da kyau a ce da wuri a tsawata kuma duk wanda ga ya ɗauki makami ya rike to yana tabbatar maka ba abin da bai iya yi na farko yana iya yi kwace na biyu yana iya yanke mu kenan ganin yaro da irin wannan a kyale shi gaskiya fi ba son yaro ne ba gara ma ka hannun tashi a hannun hukuma su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka na lalatashe shi idan za a yi bashi tsoro ne idan za a ɗaure shi ne idan za a yi wallahi shi ya fi da ya zamanto yaron na C'était là le reportage en région avec Asumana Moussa Arzika depuis Konni. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Konni à travers la radio NIA 97.5 MHz. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, toutes les radios partenaires du studio Kalangou vont diffuser le Niger sur Kalangou. À votre grand plaisir, fidèles auditeurs. <laughs> Eh bien, euh, Rukaya, nous poursuivons cette fois-ci avec le sport. Euh, et cette semaine, nous avons Adam Sariou, qui est notre chroniqueur sportif, qui est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Bonjour Ruki. Bonjour Adam. Adam, ce matin, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal Maroc 2024. Eh bien oui, le Maroc, double tenant du Twitter accueille depuis le jeudi 11 avril la 7e édition de la Cannes de futsal. Huit nations sont engagées pour cette compétition. Elles sont réparties en deux groupes de quatre par en deux groupes de pour la première phase. Les deux premiers se qualifient en demi-finale. La finale est prévue le dimanche 21 avril 2024 au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Adam, tu peux nous en dire plus sur le déroulement de cette compétition et quelles sont les équipes qui participent à cette septième édition du FUSAL c'est ça Futsal. Futsal. <laughs> <laughs> Eh bien, aujourd'hui, on joue la troisième journée des phases des poules. Dans la poule A, nous avons le pays organisateur, à savoir le Maroc, le Ghana, la Zambie et l'Angola. Et dans le groupe B, nous avons l'Égypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie. Alors Adam, euh, aujourd'hui on joue la troisième journée euh, des phases poules, euh, n'est-ce pas Oui, eh bien, les Lions de l'Atlas qui sont qui sont premiers de leur groupe avec 6 points en deux matchs, tandis que l'Angola et la Zambie suivent de près avec 3 points chacun. Le Ghana reste dernier du groupe avec 0 points. Dans le groupe B, l'Égypte occupe la première place avec 6 points, la Mauritanie deuxième avec 3 points, plus 3 au goal à virage, la Libye 3 points, moins 3 et la Namibie 0 points. C'est ce qui est du classement pour avant la troisième journée, c'est nous. Alors, chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations. Merci, Adam. Fidèles auditeurs, c'était la page sport. C'est nous, c'est qui la star du jour eh bien, Rukaya, aujourd'hui, le, portrait de ce lundi, euh, pour le portrait de ce lundi, nous partons à la rencontre de Halimantou Abdurazak Dodo. Elle est une jeune diplômée en comptabilité qui aujourd'hui subvient à ses besoins grâce à la couture. Samira Rouafi s'est entretenue avec elle. On écoute. Trentenaire, mère de famille, Halimoto Abdulrazak est titulaire d'une licence en comptabilité et gestion des entreprises et d'un master en contrôle et comptabilité audit. Malgré ses diplômes en poche, la jeune maman évolue aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai eu à travailler avec euh, une ONG américaine pendant un an. Avant même euh, la fin du projet, déjà je me voyais d'entreprendre mon propre compte. J'ai ouvert un atelier de couture depuis 2021. Quand j'ai informé ma maman, elle me dit que tu en connais dans la couture pour te lancer, tout ce dont j'ai besoin. Je veux juste vos bénédictions. J'avais commencé à travailler chez moi-même, petit à petit. On a loué un local. Si aujourd'hui Halimoto a eu la force de créer son propre atelier de couture, c'est parce qu'elle a le soutien inconditionnel de sa mère, Tonkwano Uteni Diapwa. Elle m'avait approché avec l'idée d'ouvrir un atelier de couture. Donc, euh, j'ai appuyé sa demande. Elle se débrouille avec ses ouvriers et ses machines et ça marche. Elle est toujours euh, en activité pour pouvoir satisfaire ses clients. je la trouve vraiment forte parce qu'elle ne s'est jamais découragée et chaque fois, elle cherche à aller de l'avant. Halima, la jeune couturière, arrive à subvenir à ses besoins grâce aux revenus de son entreprise. j'arrive à le pour avec, puisque quand tu sais que tu n'as pas de revenus autre que ça, tu peux pas compter sur qui que ce soit. Je suis une maman qui élève seule mes trois enfants. Je me bats pour ces enfants. Je me dis que je ne dois pas lâcher. Aujourd'hui, Halimoto Abdulrazak a quatre employés et un stagiaire. Grâce à sa ponctualité pour ses commandes, son atelier ne désemplit pas de clientèle. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour. Nous allons boucler notre playlist avec ce titre Peace and Love de l'artiste Hamdi Mala. Oh, tashe hankali koko muna hunci ku zo gudado zama guda domin mu yaki zalunci mu zamu wa guda domin mu kauda bambanci hankali ya yo nous voulons vivre sur terre sans haine sans fleurs dans un monde meilleur où y a pas de guerre où sa vie unie dans l'harmonie puis une belle vie comme au paradis dakalkanaine imagate afrique là-bas boy guinée yosibala kalkune wacho machadi yomaduga kwakine takalkanainoimagate afriklabaiima kwakine yosibala kalkune wacho machadi yomaduga kwakine Kamata mwe entre nous on se trahit, entre nous on se vend, entre nous on se haït, entre nous on se tue, nous on se trahit, entre nous on se vend, entre nous on se haït. Caché, caché, Anima mama ta yare, arziki en kaje, rayu ga sun baje, rayu ga sun Kage, Caché, caché, ta yare, Young ɓace rayuka sun ɓace rayuka sun ɓace hawaye suna ta zuba wayan su su rasa uba mutum sai ka ce da ba rayuwa yau na cikin Peace and Love, euh, chers auditeurs, c'était là le titre euh, de cette chanson que vous venez d'écouter de l'artiste Hamdi Malam. Alors Rukaya, dis-moi, c'est quoi le loti du jour c'est nous la rubrique Loti de ce lundi 15 avril 2024 porte sur les femmes qui ne payent pas les dettes. <laughs> en effet, elles sont nombreuses les femmes qui contractent des crédits auprès des commerçants et refusent de rembourser. Écoutons cette discussion entre Mariam Adé et Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. <laughs> pousse-toi, pousse-toi, je vais tomber sur toi. À toi, qu'est-ce qui t'arrive Arrête-toi, faut pas tomber sur moi. Regarde, tu as versé ma bouillie, j'ai même eu du sucre et du lait. Hé, ferme la porte, pardon, fais vite, ferme la porte. to ce sont des voleurs ou des braqueurs qui t'ont poursuivi. Hmm, si seulement c'était des voleurs ou des braqueurs de dames, c'est Haji Quel Quelle La commerçante. Elle-même. Hajia Biba, t'as chassé comment La dame là qui arrive à peine à marcher elle, Si seulement elle m'a chassé, hein, elle ne m'a pas chassé justement. Je l'ai aperçue au bout du couloir et j'ai couru. Parce qu'aujourd'hui là, je suis sûre que c'est le commissariat seulement qui va nous séparer. Subhanallah, commissariat Qu'est-ce que tu lui as fait hmm. Tu te souviens des draps et tasses qu'on a achetés chez elle non, il y a six mois Ne me dis pas que tu n'as toujours pas payé. Et toi Et tu sais comment les temps sont durs maintenant mon petit commerce ne marche plus depuis. Aïe, Atou, quel est ton son dire Six mois à sa place, je t'aurais convoqué depuis longtemps. son argent, c'est 30 000 bons. Et malgré tout, je me suis débrouillée pour payer jusqu'à 10 000 francs. Et puis, comme ça fait six mois là, je pensais qu'elle allait pardonner. Mais chaque mois, elle vient me faire la misère devant tout le monde. Je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Elle doit comprendre, Darmana. Ah, tu savais que tu n'as pas d'argent et tu as pris ses affaires d'une valeur de 30 000 et tu veux qu'elle te pardonne. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle les a ramassés au coin de la rue hum, je comptais sur mon frère qui est à Niamey. Mais ça fait deux mois que je l'appelle, il ne décroche plus mes appels. Et puis mon mari refuse de payer parce que je n'ai pas demandé son avis avant de m'endetter. Je ne sais plus quoi faire. Toi-même, tu n'as pas réfléchi, hein Tu n'as pas de boulot, tu n'as aucun revenu et tu pars t'endetter. Oui, en comptant sur quelqu'un d'autre pour payer ta dette. On peut faire ça. Hé, c'est parce que j'ai vu tout le monde appris. Donc moi aussi j'ai pris. C'est juste pour ne pas avoir honte parmi vous toutes. Toi maintenant tu as honte devant tout le monde. Dès au début il ne fallait pas prendre sachant pertinemment que tu n'as aucune garantie. Si tu ne voulais pas te taper la honte devant tout le monde, fallait même pas te lancer. Regarde-toi un peu en train de courir partout essayant de te cacher de tes créanciers. Quel exemple tu veux laisser pour tes enfants Et si elle venait te surprendre avec la police, comment tu vas faire même ton nom sera gâté dans les quartiers et personne ne voudra plus que tu l'approches. C'est ce que tu veux, non Police, hum, Police, Wallahi, je ne veux pas de tout ça. Comment faire pour éviter tout cela Va lui remettre ses affaires. Essaye de lui expliquer ta situation calmement. excuse toi et ne refais plus jamais ça. Parce que six mois là, c'est beaucoup de... Peut-être qu'elle aura un peu pitié de toi. J'espère que tu les as pas utilisés. Toi, je les ai pas encore touchés depuis, mais après six mois, est-ce que accompagne-moi. Comme elle te respecte là, peut-être qu'elle va écouter et passer l'éponge. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, passons à la rubrique culture linguistique en français et anglais. C'est avec euh, Samira Omoru. Le mot de la semaine est chaleur. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. En ce mois d'avril, nous notons une vague de forte chaleur avec des températures pouvant aller jusqu'à 45 degrés Celsius. Vous l'avez deviné, le mot du jour est chaleur. Chaleur en anglais veut dire heat. Heat is the quality of being hot. En français, la chaleur veut dire une température élevée de l'air ou du corps. Prenons un exemple. Il fait chaud aujourd'hui. That means in English, it is hot today. Un dernier exemple. Heat is unbearable. That means la chaleur est insupportable. Pour se protéger contre la chaleur, nous pouvons noter de limiter nos sorties. Appliquer de la crème solaire pour éviter toute brûlure du corps et surtout de boire beaucoup d'eau. To protect yourself from the heat, we can limit your outings, apply sun crime to avoid any burning of the body and especially drink water. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Nous vous recommandons de boire beaucoup d'eau, surtout les enfants et les personnes âgées. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira, à bientôt. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, écoutons les messages envoyés par les auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs m'appelle rappelle... Euh, Ousmane Issouf Ousmane. Je suis de la localité des Filingué. Tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes félicitations euh, à Studio Kalangu pour son anniversaire. Et nous profitons aussi pour les remercier de tous les efforts qu'ils sont en train de faire euh, pour euh, passer des informations fiables à l'endroit des jeunes d'une manière particulière et à l'endroit de la population de manière générale. Toutes les émissions qu'on arrive à suivre comme forum, FADA des jeunes, Espace Femmes ou Forum Presse, vraiment c'est des émissions qui nous plaisent et nous souhaitons à ceux qui euh, Studio Kalangu évolue dans ce sens. Euh, ce que nous souhaitons de plus, c'est que Studio Kalangu accorde un peu plus de temps, euh, surtout au niveau des forums rencontres avec les FADA. Donc c'est vrai que c'est des émissions qu'on fait en Hausa et en Zarma, donc nous voulons assez qu'il y ait vraiment un peu plus, euh, élargir ça au-delà des Français, des Hausa et des Zarma, peut-être inclure d'autres langues euh, qui vont permettre à ceux que celui qui ne comprend ni Hausa ni, Zarma, qu'il puisse aussi, aussi euh, écouter ce que Studio Kalangu fait. Mais d'une manière générale, vraiment, nous remercions Studio Kalangu de ce qu'elle fait parce que euh, elle nous donne des informations, surtout nous en ce qui nous concerne les jeunes, vraiment des informations qui nous vont droit au cœur et des informations qui nous paraissent fiables. Donc aussi à travers euh, différentes euh, rubriques qu'elles font ou les articles qu'elles publient sur leur site internet ou bien à travers les applications, surtout les numéros WhatsApp. Donc vraiment là aussi c'est vraiment une belle initiative qu'elles ont eu à faire. Donc nous souhaitons ainsi qu'elles continuent dans cette lancée là pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'informations. sunana malama Hauwa daga nan garin gigime gaskiya da farko dai zan ce shirye-shiryen su yana burge mu sosai kuma zan ce mun karu da abubuwa da dama musamman ma ta fannin kiwon lafiya saboda a da mata yawanci ba sa so zuwa awo amma yanzu da shike wannan shirye-shiryen mata da dama suke zuwa awo kuma a fannin ilimi ma alhamdulillah zuwa ga fannin aure yarinya bata kai aure ba ana mata arme to shi ma a nan wurin gaskiya alhamdulillah an karu sosai da sosai eh to abun da nake so da kalangu gaskiya abun da ni ne nake da bukata a wajen su shine su ci gaba da in wannan shirin kasu bare dan gaskiya shirin yana mana dadi sosai gaskiya a da shiru ne a da ba ma jin labaran gegime amma albarkacin su alhamdulillah yanzu muna jin labaran garin mu abubuwa da da bamu san da shi ba ma a cikin garin mu yanzu alhamdulillah a sanadiyan su muna jin su matsalolin da suke cikin garuruka. eh da farko dai ni suna sunana alhaji ilyasu ibrahim gahila mai garin binikan to ina kuma bin rediyo gidan rediyon karkaranmu na na na kurfai wannan don cikin shi nake samun labarin studio kalangu da yake kullun suna sawa emission kin da duka studio kalangu suka yi don ka in saurare su eh, ina ji suna magana bisa kai ga dukkan halussan da mahi yawan su da muke da sunan na wannan ma yana birge mu kwarai da yake duk kowane harshe kake da shi kake ji kana kana shi amsa an bada labarai bisa gare shi to kuma babban abin da yake kawatar da ni da yake akwai lokaci kamar na suna lura da lokaci yanayi na lokaci kamar ma'ana ina nufi inda mana ta zo suna ba da labaru bisa ga haraka kwance hankali tsakanin manoma da makiyaya to wanda ya interese na kenan kwarai saboda yana kira ga manoman da makiyaya yana tunatar da su ga azamna lafiya eh to abinda nake fata a gaba kawai ina fatan su Allah ya kara musu nasara su ƙara bunƙasa eh, lokacin da yake wani lokacin lokacin sai abin ya ɗauko sai ka ga lokacin ya ƙare eh, sai an ɗauko emission kana tana jin daɗin ta ɗan lokacin minti goma ne ko sha biyar sai ka ga ya ƙare to ina fatan ya zamanto an ɗan ƙara ma wadda aka ga tana da muhimmanci a lokacin ta shi zama an kara mata ɗan lokaci. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Ousseini, alias Seino, et moi-même Top Abdram. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure avec un nouveau duo. La technique était assurée par Kader Chambiano et Adam Adawaki était à l'édition. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.